Chères euh, auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour euh, ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou en ce lundi 29 juillet 2024. Où que vous soyez, merci euh, d'être avec nous. Je suis Ali Moukela Hussein alias Seno et je suis accompagné de Habiba Ahmed pour la présentation. Bonjour Habiba. Bonjour Seno, comment vas-tu Je vais bien, merci nous, tenons également à saluer chaleureusement nos collègues qui œuvrent en coulisses. À la technique, nous avons Seni Isaka et à l'édition Adama Dawak. Alors Seno, quel est le programme du jour eh bien, Habiba, aujourd'hui nous, nous avons, préparé une émission passionnante qui ne manquera pas de captiver nos auditeurs. Nous commencerons par un flash d'informations percutant, suivi d'un assortissement musical mettant à l'honneur la musique nigérienne. Ensuite, nous passerons à une séance captivante du Loti avec l'équipe femme du studio Kalangu, suivie d'analyses sportives de notre chroniqueuse du jour. Il s'agit de Salamot Kadri, sans oublier la section dédiée à la culture linguistique. Aujourd'hui, dans la partie entretien, nous irons à Tirozirine à la découverte de Mokhtar président d'une coopérative dénommée HKM Hadinka Matassa de Tirozerine. une structure engagée dans les initiatives locales et surtout qui met l'accent sur l'éducation des enfants et les sensibilisations des jeunes sur les conséquences liées aux consommations de stupéfiants. Il est interrogé par Ahmed Fella. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Gaïa, région de Dosso, pour parler des hommes qui n'habillent pas bien leurs femmes régulièrement. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors, fidèles auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Chers auditeurs, sans trop tarder, je vous propose de suivre les flèches d'information avec Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Alors, nous allons débuter ce flash avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, qui a donné dans l'après-midi du vendredi 26 juin 2024 le coup d'envoi de la première édition de la semaine culturelle Al-Ada, placée sous le thème la Labos qui se tiendra du 26 au 3 août 2024. La cérémonie d'ouverture a mis en scène un spectacle de ballet qui a relevé la résistance et l'héroïsme de l'armée nigérienne face à l'ennemi. Cette semaine culturelle est organisée à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la session du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet et du 64e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août. Plus de 500 artistes venus de toutes les régions du pays viendront présenter au public leurs œuvres l'on note aussi la présence notamment des délégations des pays de l'Alliance des États du Sahel. Hier, 28 juillet 2024, le Niger a rejoint la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales avec pour thème Il est temps pour l'action, édition 14e, édition. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin colonel-major Garba Hakimi, a adressé un message dans lequel il a mis en lumière les défis de santé publique posés par l'hépatite virale B et C, notamment en Afrique où 91 millions de personnes sont infectées. Cette journée appelle à une mobilisation collective pour intensifier les efforts de dépistage, de vaccination et de traitement. Le ministre a également souligné les engagements des autorités nigériennes et les objectifs ambitieux fixés pour éliminer l'hépatite d'ici 2030. Selon le rapport de l'OMS publié en 2024, l'hépatite virale chronique B touche 254 millions de personnes à travers le monde et le nombre de morts imputables à cette maladie est en augmentation avec 1,3 million de décès notifiés en 2022, dont 83% étaient liés à l'hépatite virale B et 17% à l'hépatite C. La patrouille mixte du départemental de Boboy de la région de Dosso a saisi vendredi 26 juin 2024 216 boules de chanvre indien camouflées d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Malheureusement, les trafiquants ont pu s'échapper abandonnant leurs motos et leurs chargements. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales en mission dans la région de Dosso a fait le constat de visu le samedi 27 juillet et félicite les agents qui ont fait cette saisie et à travers eux l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le ministre a rappelé à l'occasion que la la consommation de ces produits a un impact très négatif sur la santé de la population, d'où la responsabilité de combattre la consommation de la drogue et avoir une population en parfaite santé. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations une excellente journée. Merci, Abiba. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous irons à Tirozérine à la découverte d'Ahmed Mokhtar, président d'une coopérative dénommée HKM Hadinka Matassa de Tirozérine. Et ça sera dans la partie entretien. Eh oui, Abiba, avant, écoutons d'abord ensemble euh, ce titre euh, Espoir de l'artiste Hakim Le Plan B. matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Ah, enfant de boss, c'est boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ah, ce sont les taximans, et dans le bâtiment, Garagiste et puis boutique et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma mère, vais gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer à l'homme et la terre, il a créé le riche et le pauvre. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes. Et remplir la mallette, tu sais que la galère fait tourner la tête. Allez, on sera 10 heures du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré reggae qui un jour pour moi va sortir, du coup je vais espérer. Ah. Enfant de boss, c'est boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ah, ce sont les taximans, les dans le bâtiment. Garagiste et puis boutique vendeur d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé ma mère, fait gérer ma famille, mais je suis fauché. On veut quitter le ghetto et rouler dans les mercos. Je veux toucher la monnaie pour envoyer ma vie, maman, la mec. On est cherche pas dans la vie, faut pas te précipiter. Quand on veut, on peut réaliser ses rêves, personne ne pourra me décourager. Eh, on sera 10 h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré donne un jour pour moi va sortir du coup je vais espérer ah, Enfant de porc, c'est boss, enfant de pauvre ça galère Je suis un fils de pauvre mais un jour pour moi ça va sonner ah, ce sont les taximans, et dans le bâtiment, Garagiste et puis boutiquée vendeur d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf, gérer ma famille, mais je suis fauché. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Espoir chanté par l'artiste Hakim Le Plan B, tout en espérant que vous avez aimé cette chanson chantée par Hakim, une façon de donner espoir à toute la jeunesse qui se bat corps et âme pour arriver, voilà, à tenir euh, le bout. Alors, chers auditeurs, il est temps pour nous d'attaquer la partie entretien du jour et aujourd'hui, nous partons à la découverte de la coopérative des jeunes dénommée HKM Hading Kang Matassa de Tirogerine. Le président de cette coopérative, Amadou Mokhtar, nous parle de la question de la consommation des stupéfiants. Il est interrogé par Ahmed Filan. On écoute. Ƙungiya ce wadda aka kirkira ta a shekarar 2015. Ƙungiya ce wadda lokacin da muka yi shawarar yin ta da lokacin akwai karamcin ƙungiyoyi ma cikin gari gaskiya sosai. Muka zauna tare da wanda muke zama da fada ce a sha shahi a watse shi kenan. Sai muka yanke hukuncin a wannan lokacin mu zo mu zauna mu haɗa kai ya zama to mun kirkiri wata ƙungiya wadda za mu riƙa kawo mu ma gudunmawar mu cikin komin mu na garin Cirozerin saboda yana da muhimmanci lokaci matasa su wannan mun fara ta da kusan mutum 22 wanda daga cikinsu muna da mata guda shida a cikin wannan adadin wanda gaskiya kusan wasu ma har zama yanzu muna tare su wasu sun yi auren ma mai muna tare su suna cikin kungiya saboda tsari na kungiya suna ba da gudunmawa su ana yi ayyuka kamar yadda aka saba wanda gaskiya abun ya kai matakin da yanzu a cikin gari ma kungiya ta zamanto sananna ce musamman bangaren irin ayyukan da take yi da kuma irin tallafi da gudunmawa da take ka a cikin gundumar ciro president muna so mu ji kamar wani irin tallafofi ko kuma da gudunmawa wanda wannan kungiyar taku take kawowa a kwamitin ciro zare to alhamdulillah akwai hanyoyi da da muke bi dan ganin mu kawo wannan gudunmawa kamar yadda na ce na farko kamar yadda muka hi sani cewa yanzu matsalolin da muke yawan fuskanta wanda suka hi damuwar jama'a su ne muke dibawa wanda daga cikin su akwai abin da ya shayi shaye-shaye da shi ne gurɓata rayuwar mu matasa to muna kokari mu yi wayar da kai a bisa wannan fanni wayar da matasa kuma muna kawo tallafi bisa abin da ya shahi education ma'ana karatun yara musamman na karatun ɗiya mace muna insiste bisa wannan wurin don mu gani yaran mu sun taso ƙanana ya zamanto sun taso da son karatu saboda rashin karatun shi ke kawo ƙasa a rasa ma'ilmanta a kai inda ƙasa ta faɗa hannun wasu mutane wanda bai dace to don kuma ma muke ƙoƙarin mu ka gudunmawa mu tun ba in yara mu riƙa idan su muna sa su competition muna sa musu kado da ya to so karatun sun sa shi a ransu sai zama kamar takara suke yaran kowane lakwale na so kawo ya zama to su ne suke gaba to a matsayin ka na president ki wannan kungiyar kamar wanne kamar dabarori kake aiki da su domin eh, ka hada wannan matasa na kungiyar ta to matakan da muke ɗauka ko in ce hikimomin da muke aiki da su don ganin wannan mutanen da muke tare kan su kansu ya daure kuma ya zama to wasu ma suna iya su gani abin da ake gudanar da a cikin wannan kungiya su shigo shi na farko kunawa da wasu lokuta kamar misali misali a ƙarshen shekara muna gudanar da wata sallah wadda za a zo mu yi hahaɗa kuɗaɗe sai a zo sai to har wanda ba su gari wanda cikin ƙungiyar suke suna zowa wannan sallar to wannan sallar abu ce wadda tana ɗan shiga rai kuma tana motiviyon su tana tada su daga kwana sannan banda ita akwai lokacin da ko da wani ɗan tallafi muke samu ko wani abu sai mu yi kotize kuma a zo a haɗa mutane to yawan haɗuwa nan da suke da wajen reunion da kuma wani activity ya tashi shi ke ƙara musu don zumunci yana ƙara soyayya tsakanin mambobin na ƙungiyar sannan wannan ƙoƙarin da muke muga kansu ya haɗu shi ne ke sa wasu daga nesa su hangi abun har su shigo daga cikin shi shin wale. President kun ce eh, cikin kungiyar taku akwai 'yan mata da dama ya kuke kama hulda da uwaye nasu wannan 'yan mata domin su bar su ci gaba da aiki tare da ku. To masha Allah wannan tambaya na ji daɗin ta saboda tana da muhimmanci musamman ga dukkanin kungiyoyi da suke sauraron mu. Don wannan lokacin da nake mazance mun kirkira kungiya kafin mu yi ta maza ba su da matsala. Mai mata kamar yadda yi magana su ne kamata mu kusance su mu kusance uwayensu don mu gani mun yi tahiyar ga da yarda su saboda idan muka yi abu babu yarda uwayen za a samu matsala to duk wanda ya zamanto tana son ta shiga ko za a yi da ita sai mu kire ta mu ce mata to za mu tahi mu tambayi iyayenki ga abin da muke son yi kuma ga tsarin mu duka da muka ɗauko bayan mun tsaida komi ga abin da za mu sai mu taimaka kusanci iyayen yariya mu musu explique kuma alhamdulillah tunda muke tahiya ba mu taba taya muka samu cikas ba saboda yau duk wanda ka zo ka nuna mishi ga abin da kake son ko kake yi ya gani har ka zo saboda wasu ba su hakan to duk wanda ka zo sai gani kawai yarda ta shiga tsakanin ka da shi to wannan matakan su muke bi mu ga iyayensu in babu uwa yanke gari akwai yanni ko kuma wasu cutar yanke su ne muke kusanta mu gwada mu ta musu ga aikin da muke kuma gashi to duk lokacin da kuma zamu yi wani activity wanda sai an yi rana ko kuma tana sai an yi dare to zamu tayya kuma ba za mu yi aiki da tambaya farko da muka yi ba za mu je mu gai Chers auditeurs, avant de continuer notre entretien, marquons une petite pause musicale avec ce titre d'Oliprand de l'artiste Hakim. Yeah, c'est Hakim, je suis plan B. Kouloum vener, vwati koul vener Quand j'ai choisi le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Maintenant moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey. yaro ka chez shekara dubu se meke iya mai hura kiban kwanan kunu kibar a ceke alal misali masta kaiya ne ko tanka zo filin daga dan duma dan pour faire la zik suffit pas d'avoir le talent faut de la personnalité et un bon comportement Y'a trop de haine on s'entretue pour des miettes faut garnir l'assiette ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro et Mizakai. Dans Hakim, Chine on a de Magani. C'est un hankali de Magani, La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné, j'ai pardonné sans pardonner. Mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu que tu vois, sache que le terrain est miné. Ah, Kemasta Stabé, Agago, Takabani, Meka, et Keba, parce que le DH est Keblo, et puis Massifa, oh, le Kebri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Je vois l'amour de mes fans perdus dans les salles J'ai plus d'amour pour ces gens, je reste le marginal C'est pas de l'ego trip, non non c'est pas des punchlines Tourner dans les villes avec mes proches, donc ça sera l'idéal Je suis dans les allées, en haut au sommet de la falaise Sache que la prod elle est balèze, elle donne beaucoup de malaise Dans les allées, je suis calé, tu parles en bien ou en mal sache que j'accomplis le taf et que je vais remplir des salles Quand j'ai dû pardonner, croyais que j'ai lâché l'affaire Mais je l'ai fait juste pour revoir les sourires de ma mère Tu fais du mal, moi je suis resté pêle-mêle Il y a beaucoup de poubelles chez moi, normal parce que je fais du aiki j'ai pas besoin de toi j'ai pas besoin de ton soutien j'ai pas besoin de calomnie qui cultives que la haine trop de rancœur dans le cœur de l'animateur et du rappeur ça fait peur ça fait j'ai choisi le rap j'ai dû sortir les armes j'ai payé des mouchoirs je sais que je vais couler des larmes Montre-moi la gestion, maintenant la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, ouais c'est blanc la famille. Tu l'as pas vu venir celle-là. Aïe, je suis le dernier survivant négro. Chop. oui, Doliprane, euh, cher auditeur, c'est le titre, bien évidemment, de cette chanson chantée toujours par l'artiste Hakim. Aujourd'hui, le studio Kalangu a mis l'accent sur euh, deux titres hein, provenant de l'artiste euh, Hakim Le Plan B. Une façon de vous dire que Hakim est encore cette année l'artiste qui a remporté le prix de Tarmamoumou d'or 3 millions en poche, cher auditeur. Ça mérite en tout cas des applaudissements, n'est-ce pas, Aviva Vraiment, c'est nous. <laughs> voilà, poursuivons avec euh, l'entretien. Et cette fois-ci, dans la deuxième partie de cet entretien, le président de, de la coopérative euh, nous parle des projets hein, d'avenir de cette coopérative. Il évoque également la mise en confiance des parents des filles qui travaillent dans la coopérative. On écoute. ko da wani sabga muke yi ta ɗaya daga cikin kungiya ko komite da muke dora su ne muke aike wanda ni ma yana shiga daga ciki sai mu je mu kusance su to gashi muna da sabga rana kaza tun kafin ta zo ko muna da aiki rana kaza wance za ta yi amma lokaci kaza za ta dawo tunda yan mata ka san wani lokaci suna samu su yi arme to ya ne kuke za ku samu wa'ansu wanda kamar za su yi ramfilasin su kamar yadda na ce ma muna yin abubuwan da suna jin daɗi su wanda kamar suna ƙara janyo wasu tunda su da kansu matan ba su zamana ba wanda muke tare da su suna kokarin su masu su gaya za a yi su sa soyayyar kungiya a wasu abokanansu tunda suna ko da yaushe suna ganin su jawo wasu kungiya ta zaman to mutane da yawa ne tun daga abin da ake son a yi kutumta musu haraka ce ta kokarin a kawo tallafi da gyara a cikin gari to su ma suna jawowa ko da yaushe wasu suna tahiya saboda yau cikin kungiyar ga akwai yare da ta yi arme fiye da bakwai takwas ma wanda daga kirkira ta kenan wasu suna tahiya ne wasu suna zowa haka na ake kuma wanda suka ta himma wanda Allah ya sa kamar cikin gari ne suke da arme akwai kungiya da haro cikin ta ita ce ta haɗin kan matasa da amman kote ne wanda mata ne zalla kenan wanda sun gani bayan sun yi armen ma mazajen sun bar su suna iya zama cikin kungiya to amma ga reshen da suke kotan su duka mata ne ne hulda ku take da kamar hukumomi na garin Cirozere to alhamdulillah tun tun harko ma bamu da wani dogon cikas mu da hukumomi to yanzu kuma an zo an ƙara zawa daidai wurin inda muna da gaskiya su ce hukumomi ɗari biyu bisa ɗari ma zance ma saboda gaskiyar lamari yanzu duka abin da za mu shiryawa komin karamta shi muka gayyace su abin mamaki suna rigai wasu ma zuwa saboda in aka ba su lokaci gaskiya suna respecte suna zo mana a lokaci kuma suna encourage mu suna ba mu shawarwari wanda ya kamata mu bi mu gani wannan tahiyar mu ta daure gaskiya yanzu a matsayin ku na eh, shugaban wannan kungiyar ta kamar mu ne gurin ku tar da wannan kungiyar a gaskiyar lamari kamar yadda na gaya ma muna da bururruka da muke so mu cimma wanda tun da ka kafa mu mikro ya kamata in yi amfani da wannan damar da ganin na gaye su na farko da yadda na ce mun kafa wannan kungiya don mu fara taimakawa junanmu da abar da muke ciki bayan shi mu gaya za mu kawo sauyi cikin komini in mu ta wasu tallafi da muke iya kawowa mu ma bayan shi akwai wasu abubuwa wasu kudurori da suna nan muna kokarin mu yi realizan su saboda kaɗan daga cikin su akwai lokacin da muka fuskanci nan garin mu muna fuskanta abubuwa na sonorization haka misali muna fuskantar barazanar su to sai muka yi muka samu tallafi sai muka ce to kan mu yi sakiwar gadama ya kamata wani abu mu kawo su gari kuma mu kawo su cikin sauki yadda jama'a kowane yake da wata bukata sai ya zo doka kuma alhamdulillah hakan ta tabbata yanzu haka akwai wasu kudurruka wanda daga cikin su su ma mun ja abubuwan da suke mana tangarra yanzu ka ɗauki nan garin in baki suka zo nan garin za a wani abu na matasa babu wani wuri da za a cewa yau gashi wuri ne a zo a sauke baki wuri ne zamanto akwai wurin shimfiɗar su akwai komi to wannan karan muna sa ya zamanto in sabga gare ka a garin cirozirin duk abin da zaka lema da ya shahi tabarmi rumfuna tireruwa mi kake so duk abin da ya shahi sabga ko kwana ango zaman zamanto mun yi tabbatar da mun kawo wannan kayayyakin zaman zamanto zuwa gaba kuma akwai projen da ke gare mu shi ma yana da matukar muhimmanci wanda muna son mu yi ma mata wanda suke cikin kungiya wani babban salon inda cikin shi za a rika kiso za a rika maikof na amare da sauransu irin wannan abubuwa abubuwan da muna son gaskiya zamanto cikin mu wanda ba su da wata madogara ko na aiki da suke zamanto mun kirkira wasu hanyoyi ko da mu ne mun kotizai in kuma mun samu tallafi wallahi alhamdu in ba mu samu ba ma wannan kuduri ne wanda muka doka za mu yi shi kuma insha Allah ba da bata lokaci ba da lokaci kadan muna tsammani yanzu president muna so mu sani eske akwai kungiyoyi masu kawo muku kamar tallafi to alhamdulillah wasu lokuta da suka wuce kaɗan mun samu tallafi har guda biyu wanda daga cikin su akwai na kungiyar pagod akwai kuma kungiya ta oem da suka kawo mana tallafi wanda dukkanin wasu abubuwa ma da muka yi mun gudanar da su ne ta karkashin wannan gudunmawar da suka kawo mana ta tallafi yanzu a takaice kamar wani matsaloli ne kuke fuskanta a wanga lokaci matsalar mu ta farko mu matasa ne muna kokarin kuma mu kawo ko kuma mu ganar da yan uwanmu matasa ka abin da ya kamata mu yi tsakanin mu da mu kawo ci gaba da sauyi cikin garin mu sai zamanto har yau cikin kan mutane akwai wanda kansa darma yake akwai wanda su wannan al'amarin da ake gani suke rashin aiki ne bai dace ba kun ta yi kuna shara magunguna irin wannan marasa daɗi wasu 'yan zage-zage wasu duk abubuwa wasu sai a yi su ga kunnen ka dan kaji su ne babban kalubali da muke fuskanta saboda daman can dan cika su in ta mahukumanta ne yanzu kuma muna da mahukumanta wanda suke nan suna kama mana ko da ba a tallafa maka ta wani amshi kara ba an baka gudunmawa ta ga shawarar da ya kamata ka yi don abin nan naka ya daure yanzu wani kira gare ku ga matasa domin su ba wannan eh, tahiyar ta kuma hanyanci wannan kira ni da zani kira ne wanda ina fatan ya kai ga kunnuwan dukkanin matasa na garin ciro jerin da kewaye da kuma dukkanin matasa wanda suke cikin kasa ma gaba ɗaya saboda jan su tashi da kwana kama ƙasar ga hannun su zata idan ta zo musu kama su baya za su yi jere na haka muna kira ga matasa dukkanin abubuwan da basu dace ba wanda ba su bisa tsarin da za su sa ƙasa ta ci gaba mu aje su musamman abin da suka ka shaye-shaye wasu ɗoke doke. wasu tare-tare mu gane mu matasa muna da

le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Sinon, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire Justice du lundi. Oui, Habiba, et aujourd'hui nous allons parler du droit coutumier Toubou, un droit euh, jusque-là euh, applicable au sein de cette communauté. Oui, il s'est avéré comme un, meilleur moyen de règlement du conflit au niveau de la communauté Toubou. Ces droits sont appelés droits coutumiers Toubou, fait l'objet de modifications à chaque fois que les besoins se présentent. Écoutons Al-Haji Haji Marda notable au canton de Kawar, avec Taran Foudé Ahmed. Pouvez-vous nous parler de la justice traditionnelle Toubou ou droit coutumier Toubou Le droit coutumier Toubou, c'est une loi qui règle le fonctionnement de l'organisation sociale de Toubou. Depuis le Tibesti jusqu'ici. Donc en cas de meurtre, voilà ce qu'il faut faire. Même si le meurtrier, le criminel a fait 20 ans ou 40 ans de prison, il faut que ça se règle euh, par euh, la loi coutumière. Dès qu'on le libère, les gens vont le pourchasser. Il va falloir revenir chez le chef réunir tout le monde et enlever le tambour pour qu'un représentant des, des, victimes parle au nom de la famille devant le chef pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà, on a fait le gars personne euh, ne poursuit un tel. Maintenant, il y a chaque coup, hein, même si ce coup est blessure là, comme couteau, si on a enlevé pour tenter de tirer quelqu'un, on n'a pas tiré et qu'on a mis la balle là-dedans, il y, a, une amende. Si on a tiré et qu'il n'a pas touché la personne, il y a une amende. Si ça a touché et qu'il a, qui cassé les os, il y a une amende. Si ça si ça n'a pas touché les os et que ça a traversé la chair, il y a une amende. Tout est réglé. Et si la justice tranche déjà à ce niveau, quelle est la suite si la justice tranche, il faut qu'on vienne régler ça définitivement par la loi coutumière. Si vraiment les, gens veulent, on peut même en cas de meurtre, on ne peut pas passer par la justice. On vient directement, on règle par la loi euh, coutumière. Vous voyez, le droit coutumier vous, c'est ça. Est-ce que les décisions font l'objet d'un recours de c'est fini. oui. Ce droit coutumier, il est seulement applicable au Toubou du Kawar ou bien il touche d'autres communautés Toubou dans le monde Non, non, non c'est depuis le Tchad jusqu'ici. le sultan du Tibesti. Jusqu'ici, c'est ça. Donc, euh, ils se réunissent. Dès qu'il y a un nouveau chef, il peut réduire quelques passages, il peut augmenter quelques passages compte tenu vraiment des difficultés qu'il a sur le terrain. Maintenant, le chef peut, au vu de ça, là, fouiller. Et puis s'il y a des charges vraiment énormes, il peut un peu alléger, il peut alourdir. C'est à son choix. Dès qu'il commence à taper le tantam, là, dès que les, les cérémonies, il va dire voilà, tel passage est tel. Mais moi, je réduis ça, ça, ça c'est ça, il a le pouvoir de faire ça. Les audiences sont-elles publiques Il faut réunir tout le monde à la devanture du chef. Et puis, euh, vraiment, euh, voilà comment cette affaire est réglée. depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui respecte ces droits coutumiers ils sont, ils sont obligés de respecter. Ils se, soumettent à ça. Si la personne veut la paix, il vient il se soumet et puis on règle l'affaire. C'était là la rubrique hebdomadaire. Nous allons encore une fois de plus consommer de la musique. Écoutons les titres tendés de l'artiste Abdesalam. oui, Tande, chers auditeurs, ce single a été produit en 1993 par l'artiste Salam avant la réalisation de son premier album intitulé Bayou Mata en 2002. Comme l'indique le nom de cette chanson, Tandé est un rythme musical joué généralement par les Touaregs de l'Aïr lors des grandes festivités traditionnelles. Absalam est l'un des doyens de la musique moderne nigérienne. Il a débuté sa carrière musicale en 1984 lorsqu'il était encore étudiant à l'université Abdou Moumini de Niamey. Actuellement, il est conseiller technique au ministère de la Culture du Niger. cine Voilà, chers auditeurs, après cette euh, pause musicale, direction Gaïa, région de Dosso pour l'écho des régions. Nous allons parler des hommes qui n'habillent pas bien leurs femmes régulièrement. Eh oui, à Gaïa, beaucoup de gens se plaignent du coût élevé du mariage, même si à l'heure actuelle, certains hommes ne se soucient pas d'acheter de vêtements pour leurs femmes après le mariage. Cette situation devient de plus en plus préoccupante pour certaines femmes. Oui, notre correspondante à Gaïa, Ramatou Issa, cette Intéressé à ce sujet dans ce reportage que je vous propose d'écouter. babu ruwan su yi mu mace tuha tuha dai ita an mace in ba ka da tuha ku da banza duk guda in kace ka shiga abokanka namijin da kanshi in ya to ya iske matar shi ta yi dar mu cikin wani tuha dole yana jin daɗi uwar gida aishatu kenan ɗaya daga cikin matan da ke kallon batun yin kayan lefe wa amarya a matsayin al'ada saboda yadda wasu mazan ba su damu da yi wa matansu tufafi ba bayan aure tsadar kuɗin aure dai shine abin da yake a bakin al'umma kusan kowane lokaci sai dai a share ɗaya kuma galibin ma'aurata musamman ma mata na fama da matsaloli wanda ke kan gaba kuma a cikin matsalolin shine yadda wasu mazan ke watsi da batun yi wa matansu tufafi bayan an ɗaura auren a cewar waɗannan matan da ba su yarda in bayyana sunansu ba. Mu kam har yau har gobe muna bayan a yi muna valis ga aure yanzu duk wanda ya kawo ma yarinya katsan mil ko turasan mil ko sansan mil haka ba a yi mata gado ba dangin gidan miji ma ne za su yi mata gori ni nan da nake shekara ta guda da aure amma mijina har yanzu bai taba yi min kayan sa ba in ba dan da an kasa kayan nan cikin valise da wani kaya zan sa ai da sai kowa ya gane abin da yake faruwa to ni yanzu in ba dan da uwata ta shiga bashi ba za ta sai mini tuhahin da za a sa cikin valise da yanzu na san sai da ta tsirara shekara ta bi da arme sarguda ne ta amin kaya ga sallah a cewar fatima maza da dama na hangen matan waje ne ba tare da sun tsaya sun kula da na cikin gida ba namiji yana soyayya da kai na rantsi da Allah kai ga wata ma uniform goma ma sai sai maka amma in ka zo gidan shi da kai da banza duka daya yanzu kwaɗayin wata yake yi kuma daga bangaren wannan magidancin mai sunan Umar akwai bukatar mata su dinga neman hakkin su idan har sun ga ba a da niyyar ba su in wani an ka kyale shi an ka samu ido to bai yin kayan nan mai wani an ka tambaye shi tace ta gan eh, kaya tana su wani shi na fada shi kuma wani saboda kyaluwa in ba ce mai ta yi ba mai gidana na ga kaya kaza ina so ko ka sayo min ko kuma in ya bulaguro shi so to wallahi ana jima ba to sai dai a cewar mamman rabiu wani magidanci akwai buƙatar mata su tausaya wa maza musamman ma a wannan lokacin da ake ciki na rashin kuɗi da kuma tsadar kayayyaki mata ya kamata suwa maza adalci ta tuwawa ba a kowane lokaci ba ne kamar su yanda suke so ni yadda ne la'akari sun gama wannan magana kamar tare da abin uniform wannan da ake yi arme ne ko suna ne Kowane a ce sai an yi uniform namiji baya iya ba a kowata sabga ko arme ko suna a ce ya miki uniform saboda Allah amma sallah ce ko wani abin idan dan dama ta bada sai sai ya, miki a halin da ake ciki a yanzu kwa ma kai da abincin da za ku ci ko kuma fama kai da magani da zaka saya wa yara ko ita kanta ma ko kai kanka ko kuma a'a shikenan duk dukiyarka zaka aje kurin uniform kai ta dinka mata shi kuma uniform wannan in an yi wannan sabgal a na gaba ba shi bane halawa an sauya ya kamata mata gaskiya su a maza adalci addinin musulunci dai ya ginda yawo maza yi wa mata hidima kuma akwai bukatar mazan su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu a cewar ustaz Nuhu da ciyarwa da sayarwa da suturtarwa da inda mace za ta rayu dukkaninsu sun fita daga nauyin uwayen ita wannan mace sun koma zuwa ga mijinta amma baya halatta a ce ka auri mace ba su turtarwa ko ba wani abinci mai kyau ko kaza alhali kuma kana da ikon yi da wannan mutum ya san cewa amana ce kuma za a tambi mutum wannan a tashin alkiyama sutura ya dangantaka da karfin da mutum yake da shi idan mutum na da karfin da duk wata zai iya yi zai yi in mutum na da karfin da duk sati biyu zai iya kyautatawa ne mutum zai iya yi wannan lamarin dai ya sa mata da dama sun tashi tsaye domin neman na kansu da kuma yi wa kansu tuwafi a yayin da wasu uwayen ɗiya kuma ke ganin ala tilas dole ne kuɗin aure ya ci gaba da tsayawa a inda yake ko kuma ya karu saboda bayan aure galibi wasu maza suna kyale mata shekara da shekaru ba tare da sun yi musu tuwahin sawa ba. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. A présent, accueillons Salamatou Kadri, notre chroniqueuse sportive du jour. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno. Bonjour Abiba. Bonjour Salamatou. Alors, Salamatu, le tournoi Résilience Ngengimi a pris fin, n'est-ce pas Eh oui, c'est nous, le tournoi de résilience et de la cohésion sociale U17, organisé par la garnison de Ngengimi, a pris fin vendredi 26 juillet à Difa. La finale a opposé l'équipe Real Canem à celle de l'AS Mécanique. Après 92 minutes de jeu, l'équipe de Real Canem triomphe en battant l'AS Mécanique sur un score de 2 buts à 0. Arimi Mamadou, l'entraîneur de l'équipe victorieuse Real Canem s'exprime sa joie au micro de Abdoulaye Mena. za mu ci alhamdulillah da wanda ya sa kofin nan Allah ya saka mishi mun ji daɗi sosai sau uku ana saka muna dauka nan wajen duka kofi uku an samu muke ɗauka yau ma muka dauka alhamdulillah ya haka mun gode ma Allah Allah ya nuna gaba a matasa na alhamdulillah ganin nake inda na kai su inda yara ne sun fida ni a kunya inda ce su yi abu suna yi haka mun yi wasa lahiya tunda muna tare waje guda duka yaran su ma Allah ya ba su sa zuwa gaba tunda bana ba su samu sa ba tunda Allah ya kasu matakin nan su ma Allah sana gobe su kai matakin nan shugabannin alhamdulillah mun gode musu Allah ya sa ya sake sa zuciyarsu sake bude mana irin wannan da su dinga kawo haɗin kan matasa in mutum bai san juna shi ma zai zo a cikin ku yi wasa ku fahimci juna yanzu mutane da ba mu san su ba a dalilin ba mun san yara da ba mu san juna ba yanzu mun san juna eh alhamdulillah Pour sa part, l'entraîneur de l'équipe vaincue avance que ce n'est qu'un jeu. Alassane Abdou, l'entraîneur de l'Ice Mécanique, au micro de Abdoulaye Mena. gaskiya a duk lokacin da aka yi wasa ya zama baka yi nasara ba kana jin wani abu kamar baka ji daɗi sosai ba amma duk da haka mun yi farin ciki saboda bakin kokari yaran mu sun yi sai dai babu sa'a kowa ya ga wasan ya san sun yi kokari kawai sa'a ne babu kuma mun yi farin ciki sosai waɗanda suka cin mayan uwan mu ne gegime ne duka matasa ne duka mu da su za mu yi shiri gaskiya mai kyau nan gaba domin ganin mun cimma wani matakin da ya wuce na sauran matasan da suka zo kallo abin da nake so da su shine su kara bada da kaimi wajen lura da duk abin da ya zama wani wasa ne za a yi a gari ko wani abu da na ci gaban gari su tashi tsaye yan ekip ina kuma ina kara basu su ƙwarin gwiwa sun yi kokari sosai ba rena musu ba gaskiya an tashi biyu da banza gaskiya shugabanninmu a wannan karon sun yi kokari matuka dama suna yi kuma sun yi yanzu ma kuma muna buƙatar ƙari nan gaba su ƙara shirya wani abu da zamu yi wannan shine mu dai wasan mu da muka ba muhimmanci sosai a cikin wasanni wasan kwallo su ƙara shirya mana wasa wanda yafi wannan ma wannan wasa ta yi tsari sosai mun ji daɗin ta Restons toujours à Difa, plus précisément à Menosoroa pour parler de la pétanque Salamatou. Et oui, Habiba, la Ligue régionale de pétanque de Difa a organisé ce 29 juillet un match amical entre l'équipe de Barca FC de Menosoroa et celle de Difa. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le tournoi national de pétanque qui se tiendra le mois prochain. Plus de détails avec Maman Amadou au micro de Maman Idrissa. C'est un tournoi en fait de mise en jambe en prélude euh, aux différentes compétitions nationales qui vont être organisées dans les, mois à venir. Il nous arrive souvent de faire ce genre de compétition entre euh, Meini et Difa. Ça permet d'abord de voir le niveau technique des équipes pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des corrections avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, une éventuelle compétition nationale. Et ensuite, ça permet aussi aux jeunes de fraterniser entre eux. La compétition, elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Ça s'est joué dans un esprit de faire et il y a eu un vainqueur à la fin, mais en réalité, ce vainqueur-là, ce n'est ni Difa ni Meini, c'est la région de Difa qui a gagné, puisque c'est la Ligue régionale de Difa qui a organisé la compétition. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que se termine la page sportive d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro. Bye bye. Merci Salamatou pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Seno Oui Habiba, notre étoile d'aujourd'hui est Seydou Hamadou, un jeune âgé de 32 ans. Il est violoniste traditionnel à Gaïa, un métier qu'il a hérité de son père. Actuellement, il est le Sanki Makada Godje, chef des violonistes traditionnels de Gaïa. Suivons son portrait avec Fadel Alou. <laughs> Dès le bas âge, le jeune Seydou est contraint par son père à apprendre le métier de violoniste traditionnel pour perpétuer la tradition. Il explique. C'est un métier de nos arrière-grands-parents. À Gaïa, notre famille est reconnue pour ça. Et moi, depuis tout petit, on m'a empêché d'aller à l'école, juste pour apprendre ce métier. C'est mon père qui l'a exigé pour sauvegarder la tradition. Et c'est ainsi qu'il m'a tout appris. À ce jour, le jeune Seydou est sollicité à chaque événement culturel pour jouer son violon. Lors des manifestations traditionnelles des animistes, on nous sollicite. Les festivals, danse ou des chants traditionnels, nous participons. Il y a différentes manières de jouer le violon selon la cérémonie. On fait la version Hausa, Zarma ou DENDI. Maman Dosakwe, le Sar Timbori de Gaïa, est fier de collaborer avec ce jeune. Il sait bien faire son travail qu'il a hérité de son père. Et actuellement, il est le chef du violoniste traditionnel de Gaïa. Dans sa famille, il est le seul qui exerce ce métier qui tend à disparaître. Mais ce jeune fait de son mieux et il n'y a aucun problème. Le violoniste traditionnel occupe une place très importante dans la tradition. Seydou Hamadou tire plusieurs avantages. Grâce à mon violon, j'ai voyagé dans plusieurs villes. S'il arrive que quelqu'un tombe malade, forcément, on nous fait venir pour appeler les génies qui vont guérir la personne. Et pour les sacrifices du Yenandi, c'est à nous qu'on fait appel. Donc ce travail a beaucoup d'avantages. Issu d'une famille de quatre enfants, c'est sur lui que son père a jeté son dévolu pour transmettre son savoir-faire. Après ce portrait très inspirant, chers auditeurs, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans les menus d'aujourd'hui. On écoute DJ Mastataf featuring Barakina. Ils nous viennent avec les titres boss. DJ Mastataf Barakina Boss Bossmaker chapa asabaga sai da kai Bossmaker cha uban yan banza kake a cha Bossmaker cha Bossmaker cha kana basu suna yeah. Boss make a chop, yeah Boss make a chop, a pass komi sai da yeah Boss, Baba Boss, Boss, Baba Boss, Boss, Baba Boss, Boss Boss maker chapa asabaga sedakai Boss maker chaka na basu a sha So oga su chang So oga su chang So oga na chang ana doro ba kudi Ya shakidi ya shame Trabalha, chamei aí, ah ah, baixa sua mesa, me Shida, cede, a gama, shida, daí, ah ah, wando dari biyar, riga dari biyar, shaka dari biyar, kowace cikin ta miliyan biyar. Boss, bobo boss, boss, bobo boss, boss, bobo boss, boss, bobo boss. Boss me ka chaba, asabu ga sai da kai. Boss me ka cha uban 'yan banza kake make a chop, yeah. Boss make a chop, yeah. Boss make a chop, kana pass so Natasha, yeah. Boss make a chop, yeah. Boss make a chop, yeah. Boss make a chop, ba ako mi se da kai, yeah. Boss ke uta, yeah. Boss ke uta, yeah. Boss ba shi kama change, ya rige ya huce, yeah. Boss ya huce, boss ya huce, yeah. Boss ya huce, wasa ta tashi. la sadia, la sadia. Boss, mbaba boss, bête ma Boss, mbaba boss, en bêta, Boss, mbaba boss, la ho la honey. Boss, mbaba boss, le parisien baba. Boss, baba boss, ba ba ba dili. Balista, Zoza Balista. Voilà, c'était là le titre Boss euh, chanté par DJ Mastataf en featuring avec Barakina Bawanala. On passe au loti du jour, n'est-ce pas oui, c'est non. Le loti de ce lundi 29 juillet 2024 nous parle de l'infertilité. Oui, au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée par ce problème est la première à consulter. Selon professeur Madi Mayana, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que de la maternité Isaka Gazobu de Niami, une maternité de référence, 9% des femmes consultent pour le problème d'infertilité. Cependant, les causes de l'infertilité sont nombreuses, selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Ataher et Mariama Diallo dans ces lotis. Affairage, affairage, affairage, affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens, gynécologue Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours, l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela, hein, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti euh, du desk femme du studio Kalangu hein, qui parle de l'infertilité, inspiré bien évidemment des explications du professeur Madinayama euh, lors de son atelier en 2019. À présent, c'est l'heure pour nous de retrouver Semira Omoru pour la culture linguistique en anglais et en français. Les mots de la semaine est amitié. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture Linguistique. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture Linguistique. La journée internationale de l'amitié est célébrée le 30 juillet de chaque année. International Relationship Day is celebrated on July 20 every year. Vous l'avez deviné, le mot du jour est amitié. L'amitié, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes. Amitié en anglais veut dire friendship. Friendship is the emotion or conduct of friend. An example, I form a close relationship with him. That means j'ai noué une étroite amitié avec lui. All these of love and friendship. That means les vieux liens d'amitié et d'amour. L'amitié permet d'échanger sur notre vécu avec d'autres personnes et de nous développer en tant qu'individus. Friendship allows us to share your experience with other people and to develop as an individual. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time, same time, same radio. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, merci à Samira pour la culture euh, linguistique. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Écoutons ensemble le message vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sirira Larisa Makeri a nan Tanit. Da haka nake isar da gaisuwa ta zuwa ga wadda suke haɗa musamman a tare da Studio Kalangu wato ma'aikatan FM da Margu da muke tare da su a nan Tanit. Muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar Studio Kalangu yau kan ya waye musamman bangaren kiwon lahiya da kuma wasu abubuwa wanda suke damu mu maharakan noma da kiwo da makamantan wanda abubuwa ne wanda muna cikin jahilcin su amma ta sanadiyar a studio kalangu yau gaskiya komi da komi na tafiya daidai da haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama ta hanyar studio kalangu in gaida abokan aiki na wa'inda muke tare da sunan tana ka kama daga galli makeri da kuma ismail makeri da kuma son malam sanda buguburi da ke laska gusum da bin gisa da fatar shi zuwa gare da kuma mamman mu ko kuma in ce yayan mu Hajiya Fatima da kuma wata ana ce mata wadda muna haduwa da su sosai sosai ma a cikin shirye-shiryen da rediyo da mulki take gabatarwa wato ana ce mata na ana kalu na gishi da ku sosai sosai studio da margo moro Allah kane sai zama albare kin gnon mati kuno gano gse kane se papa wallahi sabi sai mo kare mu konde digine daga ambani inda kul ayu manyo ya wasan kire radio wallahi afakara akan borsa agogo no bon fer gum gum o irgo sabu agotere kul marganta sai mun tonton gai gai si jiro dun ci wote bore si mun tonton haga iro yittal ka gindo bon fere sunana umar kwarai kaune masauraren shi ne ko da wani lokaci idan ka gaban saurare shi ba sai yan bani gida kuma muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da suke da kowane lokaci to lalle ne abin da yake burge ni ciki sauraren shirin nan nasu ni a wuri na ma lokacin shirin ya yi kaɗan eh, saboda birgin da yake in son samu ne a samu ɗan lokaci a ƙara waƙa ne amma duk wani lokaci in dai studio kalangu ne in dai ina gida to in sha mu Allahu abin saurare na ne. Eh, Sani Sha'ibu Jigo Sandika nan da wannan radio abin da yake bani shawa matuka yana jin daɗi saboda akwai abubuwa da yawa da ake yi cikin ƙasa ta wannan gidan radio nake jin shi komini komini daga sauran garuruwa don haka nake watan ubangiji allah ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo duniya ma ko ina ta ji shi ba nan shiri mai mahimmanci ba kaman bisa harakan mata irin yadda ake waye musu kai su gane yadda al'amuran duniya suke taya kan sana'o'i ko kan taimakon wani kai da kai da sauran kuma biyayya ga mazajensu da kuma biyayya ga abokan zama wannan abu yana jin daɗin shi akwai kamar bisa ga hayoje da kasuwanci na mata ko wani noman rani gandare-gandare da suke shiga su gidan wannan rediyon suna ƙara waye ma mata da mazaje kai ba abin da ke burga na kamar haka nan suna na alhaji bizu sarkin bakin birnin da kwarar studio kalangu dai muna sauraron ta kuma ta ƙayatar da mu kwarai tana waye mana kanu bisa wasu abubuwa da yawa surtu ra'ayin nan da suka yi na lahadi na asabar da wallahi yana birge mu kwarai kaga akwai wasu sensibilization da suka karawa cikin kanun kan mutane na harka shaye-shayen nan da yara matasa ka yi bai da kyau wannan ya birge mu kuma yana kara mu kuzarin sensibilizan yara da jan hankalin yara da su daina ba wani ba alferi ba ne ba bai da cigaba ko alama kuma karkara wallahi suna gode mu wannan radio paske suna amfani da shi kwarai wasu abubuwa ma baka isa ne sai cikin wannan radio studio karangu mun gode nan fara eh, yarda Allah eh, babbar tashar birnin da kwaro yana gaida Alhaji Rabu Tabo president sandika transporteur wajar yana gaida Sali Japan na wani lattizo ne na guga ina gaida habibu ba kama maza sai mata aiwa ti abdullahi ibrahim aiwa missionnaire no kan kanon go filinge aran wannan animation kai ga hangan gumdaiti tus ala fada ma animation no kan sansan ma kan ga bejin gumgumo kuma su tula weekend na bar go sa yan foyan kan kan ti sai an pa nuye ni sana kan te dole bora shiwo mu hawo kaina donc kiri wan kiri ngwar dai kiri ba di ging tutungir se koi ne lo chum tutung aga koi ne si vous pouvez on a augmenté c'est 2 heures de temps voire 2 heures 30 on les week au moins si on aga yor kaina et dans l'ensemble que c'est une très belle euh, émission ina yawan saurare ta lokaci zuwa lokaci do inda an kasa insha Allah muna yawan sauraren ta nan insha musamman ma nan muke fara mun muke zanni biska ga mun taraka insha Allah masha Allah to ita dai zamantakewa dai insha Allah ko a addinance dai ta shar'anta ga komai abinda dai muke fata dai ga 'yan uwa musulmi su zan haɗa kanu duk inda ga haɗin kai insha Allahu komi bai buwaya duk abin da an ka tashi inda na haɗin kai na zai bambanta da wanda an kai rarrabe Allah ubangi abin da ku fata dai mu ya ba da haɗin kai kuma ya sa yan uwa su so juna farko dai insha allahu ina tare da Hamza Ahmadu shugaban kwalb gawa zaki na gaida shi ina gaida sha'aibu mai kani sai gawo ina gaida Sule mai kani sai gawo Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Ali Munkela Ouseni alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. À la technique, c'était Seni Isaka et Adama Dawaki à l'édition. Bon début de semaine à tous. Bye bye.